Euh, la jeunesse juvénile, c'est tout simplement les jeunes qui sont en conflit avec la loi, à mon entendement. Les jeunes en conflit avec la loi, donc ce sont ces jeunes-là qui, dans le cadre de leur ont été amenés à commettre des infractions à la loi, notamment à la loi pénale. C'est ce qu'il faut ajouter aussi au Niger. Ces dernières années, nous avons constaté une certaine récudescence de cette délinquance juvénile, comme vous l'avez appelé. Et moi, j'allais parler tout simplement des jeunes qui sont en conflit avec la loi. Dans un premier temps, L'éducation, un enfant qui est mal éduqué, il va de soi qu'il tombe dans la délinquance. Il faut une éducation vraiment qui apprend à l'enfant comment s'en sortir de la vie sans tomber dans l'illégalité et tout en restant libre et droit dans sa vie. De l'autre côté, il y a la pauvreté. La situation de la pauvreté amène beaucoup de jeunes aussi à se jeter de la délinquance. À mon avis, c'est les deux facteurs là qu'il faut prendre en compte dans euh, le déclenchement de cette délinquance.